Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la visite le 3 juin du président de la République dans les communes de Torodi et de Makolandi, région de Tilaberi. Ensuite, nous parlerons des préparatifs du Hajj 2022. L'actualité, c'est aussi la pénurie du gasoil au Niger. Et à la fin, si le temps nous le permet, nous parlerons de la visite du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, en Russie. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El Hajj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir Mokhtar Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Oussé Issa Jibo, journaliste indépendant, à la modération Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 10 juin 2022 par la visite du président de la République Bazoum Mohamed dans les communes de Makolondi et de Torodi au chevet des populations déplacées le 3 juin 2022. Ces localités accueillent plusieurs milliers de personnes qui ont fui les exactions des groupes armés non étatiques. Le chef de l'État a déclaré que toutes les conditions, euh, toutes les dispositions sont prises pour assister ces populations, mais aussi créer les conditions pour leur retour chez elles. On l'écoute. Nous avons, selon les estimations de Monsieur le maire, 6 000 personnes à peu près qui ont été déplacées, des villages qui ont été identifiés. Et c'est un chiffre qui me fait énormément mal. Le deux tiers des écoles qui ont fermé, les centres de regroupement qui étaient censés être conçus par le ministère de l'Éducation nationale n'ont pas pu se réaliser ici. Je suis venu ici discuter avec vous et créer les conditions du retour des populations dans leur village. À cet égard, nous allons mettre en place un dispositif vigoureux qui va vous permettre de vivre avec quiétude dans vos villages. L'hivernage est en train de s'installer et notre but, c'est de faire en sorte que vous retourniez dans vos villages et que nous vous assurions la sécurité de façon conséquente. Hassan Boukar, vous venez là de suivre euh, Bazou Mohamed euh, qui réconforte et rassure les populations déplacées au sujet des mesures prises pour euh, sécuriser leur village. Quel commentaire cette visite suscite en vous ben, je peux dire que ça montre quand même un souci du président de la République d'aller au chevet des populations qui sont victimes des groupes terroristes de ces deux communes. Euh, de la même façon qu'il l'a montré dans la région de Difa, il n'hésite pas à aller, même dans des zones considérées comme difficiles, euh, des zones où il pourrait être exposé. Hier dit il était quand même euh, dans la zone du terrain. Oui, donc il l'a déjà montré quand même pour l'opinion, il fait preuve de courage en allant dans ces zones reculées, souvent exposées à ces groupes terroristes. Et donc, il montre un intérêt à aller réconforter les populations qui ont été victimes de ces attaques, qui ont été contraintes d'abandonner leur terre, leurs maisons. Oui, mais avec quelle garantie alors, ce qu'il dit, évidemment, c'est avec les, les FDS, c'est de sécuriser. Euh, je comprends bien le sens de la question, c'est-à-dire que c'est toujours un risque. Vous n'avez pas de risque zéro en ramenant les populations chez elles. Euh, quand je prends l'exemple de Difa, il, a osé, c'était risqué aussi, hein, de ramener les populations de Barwa, de ramener les populations d'autres localités qui avaient été abandonnées depuis deux années. Euh, mais il fallait essayer. Par la suite, il y a eu des attaques et tout ça, mais quand même, les populations sont sur place. Donc là, on est à la veille de la saison des cultures, que les populations restent sans retourner sur leurs terres c'est quand même le risque est double. Il y a, il déjà le fait qu'elles aient quitté leur maison, mais aussi elles ne pourront pas cultiver, elles ne pourront pas produire. Donc la situation est vraiment difficile, mais le fait de leur dire retournez, on va assurer votre sécurité, ça ne veut pas dire qu'il y a une sécurité garantie. Hein. C'est-à-dire l'idée du président, si j'ai bien compris, c'est de dire on va amener le maximum d'éléments de sécurité pour vous sécuriser euh, maintenant pour que vous soyez chez vous. Donc euh, il n'y a pas de garantie à 100% puisque L'FDS était quand même là dans certaines localités, les populations étaient contraintes de quitter. Et donc, il fait le pari de renforcer la sécurité et de réinstaller ces populations dans leur village de façon à ce qu'elles puissent continuer à vivre. Donc c'est quand même un risque, mais je pense qu'il l'a déjà tenté ailleurs et c'est donc pour ça qu'il continue à le faire dans ces deux communes. Alaj Mohamedou Suleiman, le président de la République Bazoum Mohamed, a également exprimé sa politique de la main tendue et du pardon en faveur euh, de l'ensemble euh, des fils et filles de la nation, euh, surtout ceux qui renoncent aux armes et décident de retrouver le droit chemin. Quelle analyse faites-vous autour de cette posture du président de la République Oui, je pense que ça traduit l'idée que ceux qui pensent d'aucuns, la lutte contre le tourisme, ce n'est pas seulement une approche militaire. Euh, il y a d'autres, euh, justement, euh, aspects, d'autres voies à explorer, notamment le dialogue. Effectivement, il y a certains, c'est des de terroir, donc, qui ont été soit en fait égarés ou bien tout simplement aller par nécessité, donc les appeler à revenir dans la République, euh, les euh, appeler à revenir euh, à, mener une vie normale, de renoncer à la violence qui ne mène à rien parce qu'il a insisté là-dessus. C'est une très bonne chose, la politique de la maintenue et je pense que quand il était ministre de l'Intérieur, il l'a fait à Difa où les éléments du, natifs de Difa qui sont allés dans, à Boko Haram, ils étaient venus, donc, tout euh, euh, simplement, où on leur donne une chance euh, de réinsertion. je pense que c'est de la dynamique. je pense que si tant qu'il y a des Nigériens, en tout cas, qui sont sensibles à ce discours-là, euh, euh, euh, est-ce que cette posture n'est pas un aveu d'impuissance Comme j'ai dit, en fait, c'est entre autres moyens, parce qu'en réalité, la plus dure des guerres finit par la négociation, et je pense que demander aux Nigériens, et vous vous, vous, souvenez ce qui avait fait polémique il n'y a pas longtemps, lorsque le président avait, tenu la conférence des cadres, il a dit, il a fait libérer donc des terroristes, donc c'est des, ça, des, Nigériens, c'est la même dynamique effectivement dialogique, chercher donc le dialogue avec les communautés parce qu'il me paraît évident que les gens qui sont dans, le, dans les communautés, la meilleure façon justement de, régler le conflit, c'est qu'ils reviennent eux-mêmes et qu'ils contribuent à aider à faire entrer d'autres euh, concitoyens qui sont dans le... Je pense que vraiment, ce n'est pas euh, négatif, euh, c'est pas un aveu d'impuissance, c'est plutôt une voie vraiment rationnelle, une stratégie rationnelle, en tout cas, de règlement du conflit. Maintenant, comme l'a dit Abba, en tout cas, je pense que il faut vraiment saluer cette vision, en tout cas, s'il a fait à, à Barawa, s'il a fait à Lanzuru, en tout cas, on pense que, sauf que le risque est réel, mais on peut espérer justement le présent aussi, parce qu'il a été très clair, en tout cas, euh, euh, pragmatique, je vous amène pas vous, vous abandonner, mais je pense qu'il y a l'espoir, avec euh, les moyens qu'il euh, compte disposer et avec l'appui de tout le monde des, partenaires, je pense, il pense que à moyen terme, en tout cas, pouvoir le faire, parce qu'il parlait que la saison de campagne est en train de cest veut dire qu'à court terme, parce que tout simplement, nous sommes déjà en juin et les pluies ont déjà commencé. Donc, c'est dire que c'est une, de mon point de vue, une, en tout cas, opportunité pour vous que on puisse euh, effectivement créer les conditions. Il me paraît évident que quand on regarde notre territoire euh, qui est très euh, vaste, on ne peut pas poster des, FDS de façon permanente, mais c'est on plutôt sur les, maintenant les moyens un peu sophistiqués de renseignement et de, de logistique pour vraiment faire la, veille donc sur les sur, localités. C'est vrai aussi puisque maintenant le, risque est là parce qu'en fait cette zone, euh, vous, l'avez dit, la situation est en train de se dégrader sérieusement. Et je pense que euh, le président l'a fait pour rassurer les gens parce qu'en venant aussi euh, dans ces théâtres-là de, de, conflit, c'est aussi rassurer les, ces populations de la présence de, de, de, l'État et prendre des engagements qu'on vous a pas abandonnés mais il faut dire que, franchement, ces dernières semaines, ce qu'on est en train d'observer dans la zone des de trois frontières, eh, la situation est très délicate. Et quand on voit effectivement de l'autre côté, le Nord Mali, qui est vraiment de nombreuses land, parce qu'au au niveau de la frontière entre notre pays et le Mali, on a beau sécuriser nos populations, donc les terroristes ont une sorte donc de, de, de quartier général. Ils sont toujours là-bas, ils vont toujours venir nous, nous, attaquer. franchement, et c'est pourquoi je pense, euh, à mon humble avis, cette question de contre le tourisme, en tout cas, se fera avec euh, nos armées. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, dépasser les passions. Le Mali, le Niger, on doit travailler ensemble, en tout cas, ça pourrait effectivement donner plus de résultats concrets. Sajibo, dans la commune de Makolondi, les services du maire ont identifié quelques 6455 euh, personnes constituant 1017 euh, ménages ayant fui les exactions des groupes armés non étatiques euh, ces dernières semaines. Ils ont également relevé la fermeture des deux tiers des écoles que compte cette commune. Comment expliquer cette situation? Mais Mokhtar, il y a 48 heures seulement, ici Bougoum. Bougoum. Bougoum, c'est où Bougoum Bougoum, c'est à l'entrée de Niamey, là où se trouve le poste de contrôle de la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont tué un gendarme. Qui Ils sont venus, c'est qui ils Ils, les, les brigands. Moi, ce pas des terroristes, c'est des brigands. C'est des gens qui ont pris goût à une chose. Il n'y a pas une force qui est capable de maintenir, de créer les conditions, les rapports de force nécessaires pour les contraindre à arrêter ça. Ils sont venus, ils ont tiré un gendarme, ils ont blessé un autre gendarme, ils sont retournés. Il n'y a pas eu de communication. Moins d'une semaine euh, euh, Mais avant-hier, avant-hier, c'est quel jour je ne sais pas, il y a 72 heures. Mais j'ai dit, à, euh, moins d'une semaine après, le, la visite du président. Mais alors, mais quand on est dans une situation comme ça, moi je veux dire, il y a des moments où il faut mettre de côté la communication. Karma, il faut mettre la communication de côté. Il faut agir. Il faut agir, il faut aller détruire. Parce que je me dis quelque part, c'est une espèce de défi. Vous êtes allé, vous avez dit aux populations, voilà, on va vous retourner dans vos zones. Et eh, ils viennent à la de Niamey, 20 km de Niamey. C'est même de Niamey, parce qu'il y a plein de gens qui ont construit dans ces zones-là. Il y a beaucoup de Nigériens, de Niamey. Il y a des lotissements même au-delà de Bougoum. Ah, alors. Mais alors, mais alors, ils viennent, ils cognent, ils frappent. Il faut qu'on arrête de divertir. On se donne les moyens d'exterminer ces gens-là. Ils viennent pas d'ailleurs. Moi, j'ai dit, ils viennent pas d'ailleurs. Parce que quelqu'un ne peut pas venir du Mali là pour venir attaquer Bougoum. Bougoum là, c'est à côté. C'est une zone que je connais un peu partout. Toutes les zones, souvent, où il y a des attaques, c'est des zones que je connais. C'est pas loin. Mais alors, mais alors, quand on voit, ils sont à la porte de Niamey. Et eh, bon, ben, les gens se disent, bon, mais c'est beaucoup. On met ça dans le compte de... Ça veut dire qu'il y a un problème. Où on veut combattre, éradiquer, parce que moi je mets au défi. Quelle est la force terroriste ou le commando terroriste qui va quitter le Mali pour arriver jusqu'à Bougoum Ce sont les enfants du terroir alors C'est des gens, des enfants du terroir. Lui, le président, il allait à Torodi, Makolondi, pour dire, bon, voilà, jusqu'à supplier ils n'ont qu'à déposer les armes. Non. Ou tu veux vivre en pays, ou tu veux faire autre chose. La loi du Maintenant, Non, s'il te plaît. Mais on va dire, mais attends, il y a combien de jeunes chômeurs qui sont là à Niamey, qui n'ont pas de boulot, qui ont des diplômes et tout et tout. Pourquoi aller proposer à des petits voyous On ne sait même pas par comment ça se monte. Comme par défi, ils viennent te dire, nous on est à la porte. La porte c'est quoi C'est beaucoup. Non, laisse-moi finir. Euh, rapidement. Tu ne me laisses pas finir. Euh, Mais c'est la POC là. La POC d'entrée à c'est beaucoup. Est-ce qu'on nous a dit il y a une communication officielle autour de ça Rien. Il n'y en a pas eu de communication officielle. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se donne les moyens. Moi, moi, je suis de ceux-là. Peut-être on peut penser que je suis un anarchiste. Je ne le suis pas. Mais s'il faut ratisser pour voir d'où ces gens-là sortent, les exterminer pour qu'on ait la paix et montrer aux autres quiconque veut imiter ce genre de comportement-là, il va subir la même chose. Est-ce qu'on est en train de faire ça Ou tu vas aller négocier des gens Non. On dit non, il, va aller, il faut déposer, les parents non qu'à supplier leurs enfants. S'il vous plaît, quelqu'un qui vient, il vole un troupeau. Ça lui ramène 5 millions, 10 millions. Un seul troupeau. Mais vous pensez que en venant dire que non, il faut arrêter, lui, il va arrêter. Mais pourquoi il va arrêter Tu vas lui donner 5 000 pour qu'il entreprenne une activité génératrice de revenus. 5 000 francs. Il faut qu'on arrête. On a affaire à des voyous. Ma, ma, toute cette histoire, ces concepts-là, des blancs. non, c'est des djihadistes, c'est des machins rattachés à ceci, cela. C'est faux. C'est faux. C'est des jeunes gens, ils ont trouvé, c'est un créneau facile, on peut faire de l'argent. Merci, merci Hussein Issa. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le prix du Hajj 2022 euh, est fixé à plus de 3 millions 000 francs CFA. L'annonce a été faite euh, le 2 juin par le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada lors d'un point de presse. Alaj Mohamed Suleiman, euh, quelle lecture faites-vous au sujet du prix du Hajj 2022 euh, le prix du Hajj, justement, c'est 3 281 075, euh, 300 000. Euh, on a, en tout cas, selon l'explication du, du, du donc c'est toutes les charges cumulées, le prix du billet, les charges saoudiennes, donc, c'est en tenant compte de tout cela, euh, il faut quand même. Ça, veut dire que dans ces services aussi, le, prix a augmenté en Arabie Saoudite euh, Bien sûr, euh, bien sûr, ça a augmenté et on peut se dire que dans la sous-région, le prix au Niger, euh, quand on regarde les autres pays, c'est c'est moindre par rapport aux autres pays. où ça fait jusqu'à 4 millions 600, 4 millions 500. Donc on est à moins de 4 millions. Mais de façon générale, le reste année est très cher c'est très cher et on peut le comprendre parce que euh, les Saoudiens en 2019, par exemple, ils ont autorisé 2 millions 500 euh, euh, pèlerins. Cette année, ils ont accordé 1 million tous les pèlerins à travers le monde, même ceux qui sont en Arabie. Donc c'est 1 million seulement. Donc on comprend véritablement, peut-être que eux-mêmes, à partir de l'Arabie Saoudite, puisqu'ils savent que le nombre de pèlerins est, limité et réduit, il fallait donc maximiser au niveau des charges. Donc pour aussi rentabiliser, parce que comme le Hajj aussi, au niveau du de, royaume, c'est aussi euh, une activité comme économique euh, florissante. Hein. Euh, donc maintenant, on sent un peu le cri de cœur de certains qui demandent à l'État de de consentir des de, de sacrifices. Mais moi, j'ai dit, en tout cas, partant de ma petite connaissance, c'est que, le Hajj... Est-ce que l'État peut faire quelque chose à ce niveau Non, c'est ça, je suis en train de dire que le Hajj n'est pas destiné aux pauvres pour demander la charité. Euh, Dieu, c'est un pilier de la religion. Dieu, c'est ceux qui ont les moyens qui doivent faire le Hajj. mais est-ce que l'État que... peut subventionner au moins certains services mais, justement, euh, euh, on, on, va voir, on va voir jusqu'ici ce, ce, ce, que l'État va faire. Mais je dis qu'en fait, par rapport à ce discours-là, il faut quand même se dire que euh, oui, tout le monde a besoin de concessions, mais le Hajj n'est pas fait euh, pour, pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent reporter leur Hajj jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de moyens pour le faire. Euh, sinon, je pense que, selon mes informations, déjà, Niger a 7 millions 194 pèlerins. Déjà, 7000. 000, pardon, 7000, 7000. Donc, l'offre la, la, la, l'offre est insuffisante à cette année, à ce moment-là, par rapport à la, à la, demande. Donc, cela veut dire quoi? Ceux qui, franchement, par exemple, euh, des, des, cadres, euh, ou bien, en tout cas, des gens qui, par exemple, euh, ça, en, 2019, c'était fait à 2 millions euh, 300. Maintenant que c'est devenu à donc plus de 3 millions, que, si tu n'as pas suffisamment d'argent, de, de, parce que acceptant que en plus de cet argent-là, ces 3 millions-là, presque 300 000, il te faut encore de l'argent pour te prendre en charge. Il y a beaucoup de services euh, privés que tu vas te faire, pour avoir de, l'argent. Peut-être un million, je sais pas moi. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens, parce que déjà, en tout cas, il y a, là et vous allez voir, on est en train dans une situation où même, euh, il y a des gens qui sont en train de, de, de, de hacker le système du hash pour tricher mais si effectivement il y a trop de monde, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vraiment, je peux vous dire que bon voilà, moi je peux résister. Euh, dans tous les cas, c'est un voyage, euh, comme on dit. Euh, mais franchement, il se passe des choses inacceptables. Il y a donc cette question de, où, donc les, gens sont en train de, faire même des, des pèlerins fantômes le responsable des agences. Vous avez, vous avez vu, euh, le, Coho a suspendu justement. Cinq agences. Cinq agences parce qu'effectivement, les gens sont allés concevoir des, des pèlerins euh, fantômes, autrement dit, pour tricher euh, avec le système. Donc, donc, des hommes qui, il y, a des gens qui veulent, des, hackers pour perturber le système ou de, du GAHO, la, la, la gestion automatisée donc, de, de Hajj et la, et, Donc, vous voyez, on en a des de, de, de, choses, mais au niveau du COHO, c'est que, en tout cas, qui est sûr, et il faut que les gens se, le disent, il y a assez de, par rapport à l'offre, euh, la, la, la, demande est, très forte. Donc vraiment, si cette question du, de, de, de, prix, en tout cas, euh, euh, n'est pas supportable, vraiment, que les gens se disent que vaut mieux résister. Dans tous les cas, on peut espérer que cette expérience de 2022 si le hack se passe bien et qu'il y a l'histoire euh, de Covid est passé, on pense que peut-être que l'année prochaine, le royaume va ouvrir le hack à tout le monde comme d'habitude. quoi. Nissa, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir autour euh, de l'organisation du Hajj 2022 au Niger L'organisation du Hajj, si je dois remonter dans le temps, c'était à pire que les gens pactaient. Il n'y a personne qui demandait un franc à personne pour aller faire quelque chose. Euh, ça fait partie des rites de l'islam, à pied, n'est-ce pas mhm. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de commerce. Vous êtes d'accord avec moi C'est une affaire de commerce. Entretenue euh, par euh, les, patrons des agences Mais attends, ça fait partie des piliers. Mm, les cinq piliers de l'islam. Aujourd'hui, il y en a qui en ont fait un fonds de commerce. C'est dans ça qu'ils mangent toute l'année. Je parle sous le contrôle d'Allah Suleiman qui est là, qui me regarde. <laughs> N'est-ce pas pourquoi, pourquoi Je ne sais pas. allez-y, allez-y, allez-y. C'est devenu un fonds de commerce. Où les gens pensent que c'est le moment opportun où ils peuvent se faire de l'argent pour vivre toute l'année. Le montant est passé jusqu'à 3 millions et quelques je ne sais pas, il vient de dire le montant, combien ça coûte aujourd'hui 3 300 000 Ça, c'est juste l'argent pour les billets d'avion et les autres accessoires là-bas. N'est-ce pas On a épinglé des agences qui cherchent à tricher pour, en mettant des noms qui, qui, n'existent pas. Parce que tout simplement, ils veulent gagner. Dans l'islam aussi Il faut tricher. S'il te plaît. S'il te plaît, l'islam qui te dit que ces gens-là croient il faut manger. On est dans un environnement où tout est devenu de l'argent. Tout est argent, tout est déterminé par l'argent. On est dans cette situation. Ceux qui ont été épinglés, il y a cinq ou quatre ou cinq agences. Tu me, corriges, parce que je sais pas exactement. On est dans une situation où on se pose la question, quelque part. D'une année à l'autre, ça monte. Les prix. Oui. le billet d'avion, d'une allée à l'autre, ça pose un problème. Est-ce qu'on explique aux gens c'est quoi qui justifie les montants sur les prix du billet, sur les prix de, de comment on appelle ça, les, autres, services, les autres prestations. C'est quoi qui explique ça Qu'est-ce qui peut expliquer que d'une année à l'autre, le billet qui a été acheté l'année dernière, on va te dire le billet cette année ça coûte tellement qu'on nous dise tout ça. Qui le fait Ça arrange tout le monde. Y compris quoi Y compris, quelque part. On, on, décide. On décide. Et pourquoi Pourquoi on va me dire que le billet d'avion va coûter, cette année ça a coûté euh, tel montant, l'année d'après, euh, l'année suivante, voilà, c'est le montant. C'est quoi Parce qu'il y a une forte demande, mais ça ne doit pas. Parce que les billets sont calculés en fonction du coût. L'avion qui a frité pour transporter les gens, les, billets sont. C'est sur cette base-là. business. Hein. Mais les gens qu'elles font business. Mais tu vas faire business et tu dis que tu es musulman. Non, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu, tu veux faire tes affaires. Tu veux vivre sur terre. De l'autre côté là. Tu fais semblant seulement que tu cherches l'autre côté. Mais tout doit se passer ici. Merci beaucoup, Nissa. Hassan Boukara, l'Arabie saoudite a accordé au Niger un quota d'un peu plus de 7000 pèlerins pour le Hajj. Mohamed Suleiman l'a rappelé tout de suite. Ce quota correspond à à peu près la moitié de celui de 2019 où le Royaume d'Arabie saoudite a accordé au Niger plus de 15 000 pèlerins. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce recul je pense le contexte, hein, euh, le contexte lié à la, à la pandémie de Covid. Euh, pendant deux années au moins, ils n'ont pas du tout fait le, le, le Hajj. Là, ils le reprennent maintenant. Je pense qu'ils ne veulent pas se lancer tout de suite comme si tout est redevenu normal, alors qu'il y a encore des régions du monde où cette maladie est une, est une réalité. C'est lié à ça et, malheureusement, ça a des conséquences chez nous parce que euh, les gens ont quand même attendu au moins deux éditions sans pouvoir faire le Hajj. Et donc, la demande est plus forte maintenant. Au moment où la demande est forte, on a peu de place. Et du coup, chacun se demande est-ce que je peux, est-ce que je peux aller, est-ce que je serai parmi les élus. Donc ça fait un vrai problème. voilà. Donc, je veux dire, en, en, termes d'élus, je, je, parle des personnes qui seront sélectionnées. Parce que tout le monde n'aura pas la chance d'aller, c'est évident. Les demandes, je me demande comment tu fais la sélection d'ailleurs dans un pays où il y a des fortes demandes, des demandes qui attendent depuis deux éditions, si tout d'un coup on réduit le nombre, comment tu fais la sélection C'est déjà un vrai problème, un vrai, un, vrai, un vrai casse Et je pense que à la fois pour les pèlerins, mais aussi pour les alliances. Mais je veux réagir sur ce que Sénat a évoqué. Je pense que il y a quand même quelque chose qui, qui, qui choque, quoi. C'est-à-dire que sur le business autour du Hajj ça, choque quand même. J'ai l'impression que derrière chaque agence, j'ai l'impression de voir les mêmes Oui, mais est-ce que le gouvernement nigérien est, au courant de ce stade de fait Non, mais il vit dans ce pays, il est mieux informé que nous, normalement, le gouvernement. Donc, ce que je veux dire, derrière chaque agence, j'ai l'impression de voir des messieurs, les religieux, les mêmes que je vois à la télé, j'ai l'impression qu'ils disent Dieu, le prophète. Alors, il y, y a quand même une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on fait du business derrière ces choses-là qui les gens voient beaucoup plus l'aspect religieux. Euh, parfois, même une fois en Arabie Saoudite, les choses ne se passent pas forcément bien hein, pour le logement, pour la restauration. Mais ce qui importe pour les gens, c'est d'avoir fait ce rite-là. Et donc, les gens sont moins critiques. Mais les autres, finalement, je pense qu'il y a quelque chose qui choque. Et sur les billets d'avion, normalement, les, les, questions des billets d'avion, selon que vous prenez l'avion aujourd'hui, selon que vous faites la réservation il y a deux ou trois mois, normalement, il y a une différence. Et donc, la question fondamentale aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un vrai, une vraie arnaque contre les pèlerins ne serait-ce qu'au vu de la multiplication sans arrêt des agents. Apparemment, il y a de l'argent à prendre dans ce domaine. Regardez comment les agences se multiplient. J'aimerais bien savoir, moi, quel est le bénéfice que gagne une agence après avoir fait le Hajj. Ça s'est fait une, euh, une fois là. Est-ce que les gens ne prennent pas au maximum de façon à garantir toute l'année euh, jusqu'au prochain Hajj Et là, ça s'est fait sur le dos du pèlerin. Et je pense que s'il y a une chose que le gouvernement devait faire ou euh, la commission qui est chargée de l'organisation, c'est aussi de faire en sorte que le père ne soit pas grugé. Il y a un roman de business, il faut qu'il y ait un peu de morale, ne serait-ce que parce qu'on parle du cinquième pilier de l'islam. Au moins un peu de morale. Mais on ne voit pas cette morale. Et donc, moi, j'interpelle vraiment ces, tous ces religieux nous parle tous les matins des, des préceptes, du respect, d'avoir peur de Dieu. Il faut que chacun ait peur de Dieu, quoi. Mais je, je ne suis pas convaincu, franchement. Comme vous savez, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais, mais pourquoi les gens choisissent euh, un terrain religieux pour faire des affaires, quoi? Euh, le commerce n'est pas interdit. Mais la façon dont les gens s'adonnent, tu as l'impression que c'est vraiment du business sans règle. Quoi. On tape sur le pèlerin, on lui prend le maximum. Euh, ben, si après il est totalement KO, ben, c'est pas leur affaire. Quoi. Merci, beaucoup Hassan Boukar on observe une courte pause. Depuis quelques jours, les stations services euh, de Niamey peinent à fournir régulièrement euh, du gasoil aux usagers. En effet, euh, c'est une longue file d'attente qu'on aperçoit au premier regard devant quelques stations-service qui possèdent encore du gasoil. Cette situation a sans doute des conséquences sur les activités économiques du pays. Hussein en vue de pallier euh, cette crise euh, du gasoil, le gouvernement a décidé euh, de la suspension immédiate de l'export à partir du 1er juin 2022 et la fermeture des stations services prises en flagrant délit d'exportation frauduleuse ou de spéculation sur les prix à la pompe. Avez-vous d'autres informations au sujet des causes de cette pénurie? la cause, parce que c'est une mafia. C'est tout simplement une mafia, c'est pas autre chose. Depuis pratiquement l'installation et puis, comment dire, la commerce. Ça a été une mafia, ça a été installé comme ça. Une espèce de mafia. Autour du gasoil. Mais pas le gasoil, s'il te plaît. C'est quoi C'est seulement le gasoil qu'on produit. Il y a l'essence, il y a, il y a, il y a d'autres. C'est seulement la Mais s'il te plaît, c'est le gasoil qu'on a vu. Et le gasoil, c'est plus important. C'est que les gens oublient. C'est grâce au gasoil qu'on est approvisionné dans les villes. Parce que les camions qui vont chercher les marchandises, euh, comment ça s'appelle, au niveau des ports, là, des corridors, là, c'est des camions qui, c'est des véhicules qui, consomment du gasoil. Il faut, il faut pas, les, engins des, FDS. Eh ben, non, mais les, bon, tout ça. Moi, je vais parler de ceux qui amènent les macas qu'on mange et autres. N'est-ce pas? Mm-hmm. Aujourd'hui, ils sont tous paralysés. Pourquoi les gens peuvent être surpris C'est un système qui a été délibérément monté. Hey. à quel dessin À quel dessin Par qui, Ok. Mais par ceux qui profitent du système. Quelque part, par ceux qui profitent de ce système-là. Parce que quelque part, je me dis, il n'y a aucune raison. On avance que il y a deux responsables qui sont au niveau de la Soraz et on les a chassés. Et que des gens viennent, ils achètent le carburant chez nous parce que on, sur les 20 000 barils, nous, nous n'en avons, que 7 000. Et que des gens parviennent à prendre notre carburant qui doit permettre et que les 7 000 même, on n'arrivait pas à consommer ça régulièrement que des gens, et qu'on se retrouve dans cette situation, il faut bien se poser des questions. Depuis quand on a vu dans ce pays, depuis qu'on exportait, qu'on importait le carburant du Venezuela, on n'a jamais connu une telle situation. Et alors, que des gens disent que non, mais qu'est-ce qui explique cette situation Parce que les gens veulent que cette situation soit entretenue et on est en train de vouloir ménager et ça profite à qui ça, arrange qui cette situation En tout cas, pas le consommateur à la base qui va à la pompe là pour mettre l'essence, parce qu'il y a des gens qui ont garé leur véhicule, n'est-ce pas À cause de cette situation, ça arrange qui Au profit de qui est-ce que tu as besoin de me poser cette question Est-ce que tu as besoin de me poser pour demander à qui ça profite À qui ça a profité depuis que ça a commencé à être exporté À qui ça a, euh, profité depuis qu'on a commencé à, à, mettre le carburant à je pose la question. Donne-moi la réponse. Parce que moi, je vais te poser la question. <laughs> Merci Hussein Sajibo, Hassan Boukar, avec euh, la guerre en Ukraine. Le marché international euh, des hydrocarbures connaît aujourd'hui une euh, perturbation sans précédent, marquée notamment par une hausse substantielle des prix à la pompe dans, la plupart des pays du monde. Peut-on faire le lien entre la crise du gasoil nigérien et les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie ben, <coughs> s'il si, y a un lien à faire, c'est le fait que euh, la part euh, des hydrocarbures qui viennent de Russie se raréfie aujourd'hui sur le marché, étant donné qu'il y a un embargo là-dessus. Donc, euh, ça fait que finalement, les Européens, qui sont les gros consommateurs, qui réchignent de plus en plus à consommer ce qui vient de la Russie, ils se rabattent sur la production des autres régions du monde. Et du coup, ça peut avoir une... Y compris le Niger et le Nigeria. Mais euh, sur le Niger, en tout cas ce que j'ai entendu comme explication officielle, euh, même de la SONIDEP, c'est le fait que les Nigérians qui ont du mal à l'obtenir sur le marché international ont tendance, au moins, euh, à se rabattre sur le Niger. du Nord Nigeria, ont tendance à venir le prendre là chez nous. Et du coup, euh, la consommation, il menace en fait la consommation nationale. C'est un peu ça l'explication. Mais je pense que euh, euh, cette situation, elle montre aujourd'hui euh, le peu de contrôle, je crois, de, de l'État du Niger sur ce domaine euh, très sensible. On l'a déjà vécu sur d'autres produits sans que ça ne fasse autant de bruit, sur le gaz domestique. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit parce que ça concerne les ménages, ça consomme, concerne les petits consommateurs. Lorsque l'État a mis en vente ce gaz, ils ont fixé un prix. 1800 francs pour le cycle, je crois, 3750. 750. Mhm. On est allé jusqu'à 5500. 6000 à certains endroits. Alors, mais alors, que fait l'État l'État fait des menaces parfois pour dire, ben, écoutez, voilà le prix officiel, sans avoir réellement un contrôle sur ces marchés. Vous avez des grossistes au niveau national qui sont capables de faire la pénurie pour monter le prix. En fait, l'État, il a perdu le contrôle sur, sur cet aspect-là. Et là, on n'a pas fait beaucoup de bruit parce que ça concerne les ménages. Aujourd'hui, ça concerne l'import-export parce que, comme Hossein l'a rappelé, euh, nous sommes un pays qui n'a pas de chemin de fer, qui n'a pas accès à la, à la, mer, et du coup le transport est quelque chose d'extrêmement sensible. Or, la pénurie du gasoil agit sur plusieurs aspects à la fois. Et du coup, ça, ça, ça alerte tout le monde. Mais je pense que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'avoir un meilleur contrôle sur ce, sur ce secteur-là. C'est un secteur stratégique. L'État doit avoir un meilleur contrôle. C'est-à-dire que au-delà de l'argent qu'on gagne à travers le budget national sur la vente des hydrocarbures, il faut aussi que ça serve les ménages, il faut que ça serve les citoyens nigériens. Pendant longtemps, les gens cherchaient à faire baisser, par exemple, le prix de l'essence. Ils l'ont pas obtenu. Aujourd'hui, il faut bien faire en sorte que les gens puissent le gagner. Et c'est peut-être l'occasion de remercier au moins les autorités de la Ve République qui ont eu l'idée d'avoir une raffinerie. Beaucoup de pays produisent du pétrole sans avoir euh, à, le raffiner sur place. Je pense qu'il faut aussi peut-être reconnaître qu'il y a eu un peu de vision pour, pour ces pays et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alage Mohamed Souleiman, euh, quelles sont les autres conséquences euh, de cette crise du gasoil euh, pour l'économie nigérienne déjà fragile avec la flambée des prix des denrées sur le marché Les conséquences, c'est comme l'a dit Ousseini, vous savez, les grands consommateurs du gasoil, c'est les gros porteurs. qui acheminent, les, marchandises. Cela veut dire que si on y prend garde, on pourrait connaître euh, une euh, pénurie de produits de première nécessité et cela va encore euh, être plus aggravant. mais je pense que quand même entre la semaine prochaine de la semaine aujourd'hui, on se rend compte que la crise du gazole est en train d'être résorbée. les mesures sont prises. Moi, je pense que euh, c'est indéniable la crise mondiale, euh, donc la crise de la guerre, effectivement, comme l'a dit Abba Abba. Ah. Effectivement, du fait de cela, vraiment, il le simplement d'ouvrir les yeux, le suivre l'actualité, tous les pays membres de la sous-région sont, on parle partout de, effectivement de pénurie de, de, de, de gazole. Oui, avez-vous une idée par au sujet de la cause de, de cette pénurie euh, Justement, justement euh, on a fait un article dans notre journal de cette, cette édition où on est allé vraiment euh, vérifier qu'est-ce qui se passe. Euh, selon en tout cas la version du ministère du pétrole, c'est que euh, c'est des marketeurs euh, donc véreux qui ont profité de la conjoncture, de la, situation. tout, à l'heure, absolument, on parle du, tout à l'heure du, du, du, du du, business. C'est que, très malheureusement, souvent, souvent dans, dans les affaires, dans le business, les gens ont tendance à laisser de côté la question de la patrie. Mais il y a, un ministère, il y a tout un ministère, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a la Sonidep. Qu'est-ce qui se passe dans la production, dans les 20 000 barils produits par euh, donc euh, le Niger Une partie est destinée à l'exportation, une partie à la consommation domestique. Et il se trouve ils, dans ces circonstances parce que ça se vend très cher, notamment au Nigeria, effectivement. Et les gens ont osé exporter même ce qui est destiné à la consommation euh, domestique. Et tout à fait, voilà comment on est arrivé justement à cette situation. Maintenant, là, on ne peut pas dédouaner le ministère, effectivement, c'est que ça ne devait pas arriver. Tout simplement, comme on l'a dit, effectivement, le contrôle vigilant aurait pu véritablement éviter cela. Mais très malheureusement, on est arrivé, c'est dire que donc euh, il va falloir de de vigilance au niveau de la souris au niveau de la de, la au niveau justement qu'on laisse pas en tout cas le pays pris en otage par des marketeurs. Donc euh, c'est un peu en tout cas l'explication donnée par euh, mais ils sont en train de prendre des mesures en tout cas aujourd'hui. Un moment vous avez vu à travers les ressources, les jeunes demandent où trouver du gazon, dans quelle station. On n'est plus à, ce niveau, la situation est en train d'être euh, Mais nous pensons que comme un autre atout, euh, malgré quoi qu'on dise, c'est que quand vous comparez la chirurgie, en tout cas, euh, l'essence ou le gazole à la pompe, notre prix, en tout cas au Niger, est, euh, en tout cas, est, le meilleur. Merci beaucoup, El On a sauvé une courte pause. Dernier aspect euh, de ce forum de la presse, il est relatif à la visite du président en exercice de l'Union africaine en Russie. Euh, le chef de l'État sénégalais euh, s'est entretenu avec Vladimir Poutine le 3 juin à Sochi, dans le sud de la Russie. Macky Sall a déclaré à son homologue russe qu'il devait tenir compte de l'impact que les pénuries alimentaires causées par le conflit ukrainien on sur le continent, rapporte l'agence française de presse AFP. Suleiman, avez-vous d'autres informations au sujet de cette visite du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall en Russie euh, euh, euh, Je pense que cette situation a suscité une certaine curiosité où l'Afrique est vraiment un peu donc donc, au niveau diplomatique, euh, on voit par exemple l'Europe en difficulté. Donc, on, non seulement on dit que Maxel allait négocier entre guillemets du blé, en tout cas pour que la situation de l'Afrique parce qu'effectivement, si la guerre perdure, euh, la crise alimentaire va s'aggraver, euh, la, la, crise des, des hydrocarbures, mais aussi on, on est que Maxime allait aussi demander à, à, Poutine vraiment de mettre fin à la guerre. Donc, euh, de mettre fin à la guerre comment Justement, aujourd'hui, c'est eux les, si Poutine décide effectivement, il peut euh, véritablement mettre fin à la guerre parce que celui comme euh, qui l'a déclenché, il sait comment il l'a fait. Donc, ils peuvent... donc euh, je pense que c'est une très bonne chose, non seulement aller négocier donc pour que la situation soit allégée pour l'Afrique, mais aussi si il peut avoir cette procédure en tout cas de demander à ce que qu'on essaie de voir parce que cette guerre-là, si elle est perdue, effectivement, ses conséquences vont sur pour les, pour les plus faibles que nous sommes. Donc, euh, par conséquent, c'est pas de la blague, euh, c'est une très bonne chose. Donc, bon, on a vu effectivement une certaine gêne euh, pour certains pays que, bon, Macky on a vu par exemple dans nos milieux, dans nos réseaux sociaux, on montre comment euh, Macky a été reçu par Poutine, comment il a reçu Macron. Donc, c'est comme si, <laughs> vous voyez ah, quoi, ça fait, c'est simplement en réalité, il y a des enjeux dans cette, dans cette situation. Et aussi, on le sait très bien que Poutine aussi, il est dans une euh, aussi posture de conquérir l'Afrique. Merci beaucoup, Elhaji Mohamed Suleiman Hassan Boukar. Euh, quels sont les enjeux de la visite du président de l'Union africaine pour le développement de la coopération entre l'Afrique et la Russie, rapidement je, je pense qu'il y a quelque chose comme euh, une Afrique qui fait entendre sa voix dans un conflit à l'échelle internationale. C'est de bonne guerre pour moi, c'est de bonne guerre. Déjà aux Nations Unies, les Africains ont montré qu'ils peuvent ne pas faire les choix automatiques qu'on attendait. Ils s'alignent d'habitude derrière les positions européennes. On s'est rendu compte que certains pays africains ont voté euh, ont refusé de voter contre la Russie et des pays dont le Sénégal se sont abstenus carrément. Alors les Européens, pour la première fois, c'est eux qui parlent d'être isolés. Ils ont l'impression que la Chine, l'Inde, l'Afrique se trouvent d'un côté contre l'Europe qui veut qu'on sanctionne la Russie. Et donc les Africains, ils peuvent aussi choisir leurs intérêts. C'est une question de conflit à l'échelle internationale. La conséquence pour les Africains, c'est justement la, difficulté dans l'accès aux denrées. Et donc, euh, Macky Sall qui part parler au nom de l'Afrique en tant que président de l'Union africaine, il pose ce qui est l'intérêt direct de l'Afrique. dans, tout ça, où se trouve l'intérêt de l'Afrique mais, c'est la possibilité, par exemple, qu'on accède à des villes. Vous avez des pays qui sont très dépendants. L'Égypte, certains pays du Maghreb, sont très dépendants de la production ukrainienne, de blé, par exemple. Et donc, les pays ont besoin de faire entendre aussi la voix de l'Afrique, allez le dire. Les Européens aujourd'hui, euh, leur rôle, c'est d'accueillir les Ukrainiens, c'est d'armer les Ukrainiens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un meilleur accès aux denrées alimentaires. Et donc, le fait qu'ils parlent de cela, ils portent la voix de l'Afrique et ça montre aujourd'hui que les Africains peuvent au moins à un certain moment dire voilà leurs intérêts qui n'est pas forcément l'intérêt des grandes puissances. donc pour moi, c'est peut-être une bonne option aujourd'hui de faire entendre la voix de l'Afrique. Merci beaucoup. Euh, nous sommes au terme de ce forum de Sidio Merci à nos invités. Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Nissa Jibo, journaliste indépendant, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, euh, suivez le le forum en Hausa et dimanche euh, celui en Zarma. À la technique, euh, Seini Isaka, à la régie vidéo, Mustafa Ayouba. Euh, c'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.